rahmatullah zoom Mbinelane TV ñu ngi terrain gaal production woote tegal 3 millions en 3 catégories euh, raw poids léger poids lourd Nous avons fait tey nag fekk fii ancien champion euh, nekk euh, deuxième troisième vice président chargé de la lutte avec simple lutte simple moo lutte simple deuxième vice président chargé de la lutte simple sëñ bi mon nañu xam tour bi je d'abord ci interview bi de ngay ma sur le terrain gaal

ndax avons ndog mais yalla ñu que Le président de la république suba commencé mais malgré cela def une minute de silence avant ñu tambalé manifestation bi ñaanal ño xamné ne Nous yalla ren ndox la aussi amateurs ci at bu bi ñu ku nekk yalla defal ko ko te mu nekk lu gën ci mom ci lu baax donc làmb ji dama ko wax ne ñun ñoko mom ñun ñoko mëna taral ñun ñoko mëna dem jaay extérieur kon nak li ñu moom waruñ ko yak dañ ko war di defar pour ñëpp la amul pour ki la amul pour ma dem la amul pour ma sàmm la ñëpp ko bok kon ku nek daf ci wara japp comme xalaat bu baax indi comme ni ma leen ko waxé xalaat bu rafet ak waxtaan mooy lu ñu wax ne moom la sum ñun séeréer o fogole séeréer comme ni ndeyta nun faak fa fedena feek rek jom ni ino njegun o reng saɗe leya jom séeréer ndem cosaan kon nak i mbarana mbaro mosan o jegna a kalata pa ken i njirño jofanna i ni mbamin a ɓi maaf re fi ndoxor in maaf le kon nak fo amo fo ke i mbar ina go mbiyan encadré aden la preuve étant di gara retam caate ka waxtaan fa den te a mbi andoona yee itam a felaxam te ref ka mosna naak ke te yo ndax ngoor ke ka njeɗu kana ɗomatuwa no janga naak o ɓisin fat ka xon to ken lefe ka mosna i ndaa comme ka andoona yee o naak o ɓisangaan te xon fo te yen o lutit numéro licence an no inda promoteur fana a coɗom khalis a remplacer en khalis da a dia i mbirna layna ya i mbagano ngado bo une semaine mais non c'est un jeu wagoy kado kana to falay ka leera ke wano assurer o ten ref a ge'a naak ne faaxe a ɓise a xona donc ana remplacer el fa xaalis promoteur fani a remplacer el kon nak joka fopet a njar gidma den gisma askanu lamb fopet ndax a kene ke mosa care ke mosa

côté côté sélection fait de la de lettre, est-ce que au niveau national Il y a une région qui a yee quand directement pu nene nange mais au niveau national on a fait parce que chaque région on a organisé a une compétition chaque région CNG un naturellement moyen pour faire une sélection Il y a une région qui a organisé une sélection fait. est-ce que i maaga cungran mise fe a yokel mise fe a yokel i mbaagano cungran non mise fe kay anda ye fon faak i yokaano waaw o pen jeɗe to i ɓisila o pon kon naka yoke jarajef kon a faax xar o daktor ke